fekkee procès bi mu di Mamadou Lamine Nianté di Dame ak Maïmouna Bousso ñoo am xel bu rafet bi biñ ñëwee wax ñu ko ñu ñu rafetlu ko lool ma ne leen man de danaa leen fi gunge incha allah ndaxte maay seen mag biñ ma ko waxee tim jottali naa ko waa Yewwi Askan Wi te ñoom ñi ko dégg ñëpp yàlla seede na ñu jàng ko tontu nañ ma xamal ma ne ma nii nga xam ne moom laay gunge kuréel bi ñoom noonu lañ kon lii beneen mbir la boo xam ne bokkul ak Yewwi Askan Wi ndaxte bu doon Yewwi Askan Wi day a bokk da daam fi mun toog Ousmane Sonko bay daam Mor Ndiaye nii kon tey du bokk ak avocat yi nga xam ne ñoom la ñu tudd yooyu mooy pour éviter les pour teg ci dara nag ci li nga xam ne moom la gaañi wax dafay dafay jafe ndaxte li daam di wax tappale yi dafa bëri li ma ko waxee te nit ñi war ko gën a xam li ko gën a dégg li fi xew lépp kenn mooy Macky Sall mooy ndey mi cee ndee la ministre de l'intérieur et cetera c'est Macky le principal responsable. de la administration l'administration administration là-bas. les parce que vous avez un ordre manifestement illégal du vous de ko Il ko appliquer a de la difficulté. Il félicite avocat Ousmane Zongou. c'est de grands avocats

nee si man la ko laaj nee nañ dem nañ kër góor gi ko nee nañ dem nañ Ziguinchor gisuñu ko nee dem nañ prison bi nekk ñu tuddee si ma ko daan gisuñu ko nee dem nañ ko seeti hôpital gisuñu ko te Ousmane Sonko boobu bind na leen ne leen man àtte bi ngeen ma àtte tëj ma ñaari at ma ci ndax lan justice boo xam ne bii bu fekkee ne moom nangu nañu loolu mooy liñ ko tëj ñaari at day nasaxaay ñu jugé waat mais Macky Sall na boobu loolu yàq réew mi mënu ko weesu ñii wax ko ñu demaat ba ki dem ki nga xam ne mooy àtte sor ne li ngeen ko génnee ci liste électorale bi du yoon dugalaat leen ko ci Macky Sall bañ écraser la justice receloo justice ñu ngi xool nag ubbi suñu bët ba xam justice boobu lan lay réagiré ci li nga xam ne moom la Macky Sall def union des magistrats ñi nga xam ñoo magistrat yëpp ci àtte ñu ngi leen di déglu ba xamit ñoom la ñuy def parce que Ousmane Sonko fa mu nekk yoon moo fa tey yoon boobu nag moo fa baat daan teg ko ci Sénégal ci état Sénégal mais état Sénégal bañ na ci Macky Sall yéen magistrats yi ngeen di déglu ba xam mooy nekk seen réaction yi c'est très important alors de tout ci gàttal rek 2024 incha allah ci kàttanu yàlla Ousmane Sonko dana nekk Ousmane Sonko dana nekk pouvoir 2024 Macky nga dégg loolu nga xam ko. mënoo ci dara bu boobaa nag ah amul tëdd deux heures deux heures du matin lay wala guddi ngay dem di seetee xalif généraux amul de lu waay ne lu waay reen nit seen loxo lay daal

xam na ko moom ba kii des parce que yi muy def yëpp pour que son candidat Fantos mën a jàll je l'appelle vraiment aidé à moom mais il est toujours au biberon quoi nag yi moo koy jox lu muy naan il ne veut pas se sevrer comment euh, euh, un candidat qui ne veut pas se sevrer un candidat qui est au bureau on va lui confier les destins c'est pas possible. C'est impossible qu'il gagne. Je me demande même, est-ce que nous de à au de l'autre c'est Mais le bilan matériel de C'est pas vrai. Il a le pire bilan de tous les présidents du Sénégal.

j'étais ministre des, infrastructures, tout, VDRD dit, Quand on peut nga koy jógee un financement que milliards. on voulait même faire une autoroute jusqu'à Tous les tracés ont été fait sur le magistère de Il n'a rien d'image, rien. Son seul bilan, moi, 1500 sénégalais du Son seul bilan, c'est que le leader de le leader de l'opposition, le président. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est mais c'est encore respecter, c'est de tenir compte. j'ai fait 26 ans accompagné Ablaye Wade tëj nañu kaso dul benn ñaar mais Abdou Diouf da respecté Ablaye Wade moo mu daan mën a gouvernement génnaat et cetera c' était ça le jeu de la démocratie ba ñun bi ñu grève de la faim sax en 1994 cinq jours la ñu la Abdou Diouf génne ak bañal gi mu bañal Ousmane Sonko ba di ko teg lii la personne ne le et pourtant Ousmane n'est pas un méchant je peux en attester li ñuy wax Ousmane mu sell bi et cetera xale yi di wax c'est vrai parce que je l'ai pratiques xam naa ban genre homme la c'est vrai là dans son discours le Sénégal au Sénégal et au Sénégalais c'est ça le patriotisme discours auquel devraient adhérer tous les Sénégalais. Est-ce qu'on peut reprocher ça Impossible. Alors, c'est pour cela que il faut il libérer Ousmane Sonko parce que, comme je l'ai toujours dit, la stabilité du pays en grande partie repose sur les épaules de Soko.

vous n'allez pas me dire quand même que Macky vous a marabouté avec toutes les violations des droits de l'homme, des droits de la personne, des droits de l'opposition, un refus systématique d'appliquer les décisions de la justice de son pays, un refus systématique d'appliquer les décisions d'une communauté sous-régionale à laquelle ou auquel il appartient. Et personne dans la communauté internationale ne réagit. Et vous dites toujours que le Sénégal est un pays de démocratie. Et vous dites que vous êtes nos amis. Et vous dites que vous investissez et que vous avez des intérêts dans ce pays. Et que si un président d'un autre pays a les mêmes comportements, vous le dénoncez. Macky Sall fait tout ce qu'il veut. Et vous êtes en train de lui préparer sa sortie, tout en sachant qu'il est en train d'écraser sa justice et de favoriser l'exportation de notre potentiel le plus important, les ressources humaines, les jeunes de notre pays voulez votre amitié Non, ce n'est pas possible. Nous ne demandons pas de vous ingérer dans les effets intérieurs du Sénégal. Et c'est vous qui prenez partout à travers le monde que vous êtes des défenseurs des principes universels de liberté et de droit de l'homme. Et quand ces principes sont pas faits au Sénégal, vous faites silence radio moi, en tant que président de la gouvernance de Yévestel, j'ai écrit depuis le mois de juin au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. Il n'a même pas daigné nous faire une réponse d'attente. Il ferme les yeux. Et après, ils applaudissent Macky Et vous voulez que nous, on au Sénégal. Ce n'est pas possible. Vous devriez même vous abstenir de le recevoir. Parce que quand il ne respecte pas les droits de l'homme, mais si vous le recevez, nous, opposition, on considère que vous êtes des complices. C'est notre perception. Hein. Et les Sénégalais en font conscience. Et c'est comme ça, par ces attitudes, des comportements de cette nature, que se façonne dans la conscience des Sénégalais le rejet de nos relations et de notre coopération. Et après, vous criez que nous sommes des, qui sont des anti-occidentaux. Non, ce n'est pas vrai. La faute vous revient. Et ce n'est pas trop là. Nous sommes des démocrates. Nous supposons que vous l'êtes. Vous êtes des démocrates. Et il faut qu'on coopère dans le cadre d'une démocratie sincère. On ne peut pas brimer à tout instant. Hein. On ne peut même pas manifester. Depuis combien de temps nous, on pas à le point de presse Depuis combien de temps Ça c'est la partie des points de presse exceptionnels. Alors, vraiment, je voudrais ça aussi lancer cet appel par la communauté internationale et j'ose espérer que cette partie vous allez entendre. Les étudiants. Vous

nous savons que nous sommes les gens qui Mais nous les gens, nous devons mettre la pression sur le gouvernement pour que nous puissions rester. Depuis qu'Asia Université de Bobolé, nous avons dit que nous avons commencé à faire. D'ailleurs, nous avons commencé à faire. Quitte à l'île de Saïs, nous avons commencé à faire. Nous avons commencé à faire. Mais avec une mauvaise volonté. C'est un problème national très important. et on peut leur permettre de devoir une allée blanche qui des préjudice à nos enfants. Et vous, nos amis de la presse, ça ce n'est pas politique. Il s'agit de l'intérêt national. Vraiment, à vous aussi, de lancer l'appel pour que tous les jours, vous à vous sur la question de l'université sénégalaise. Pour tout le monde, vous.

li ko kilifa yi wax lépp def na ko ba mu jeex ma seede leen même sàngara bi ci kilifa bu baax bu sell gi sëriñ mu tax a jox maa ngi koy dem boobu ñu ko lekk la bokk mu yéen li mu wax Macky Sall dafa dëgër bopp bëggul jàmm mais yaakaar nañ ne kilifa yu baax yooyu dañ noon def ñi koy continuer ba léegi te loolu ñoom seen kàddu mu dëkk ci kaw n'est-ce pas li ci des moom nañ dañu ko bàyyi seen diggante incha allah mais Ousmane daal dana génn foofu ak jàmm Masoko sera au pouvoir. Dieu l'a déjà dit, Richard, Merci, Président euh, on va permettre à Cheikh Janvier de faire une euh, communication. Et puis après, on va clôturer avec le plan Bon, il y a Aïb Bébé qui est là. Hein, si vous voulez après lui faire une interview, vous pouvez le faire. Bon, j'ai déjà dit, euh, membres de la Poste également va prendre la parole. Assalamu alaikum, mbokki Sénégal. Sénégalais yi ci biir réew mi diaspora bi. ma bëgg a yëkkati. Thank euh, you.